adi fof M. salmini va dire féliciter honorable député kalidou Wagé, maire de boki je félicite et kadi M. salmini monsieur le maire Mamoudou mori président du conseil d'administration de Giroute, M. Salmini. Également, Monsieur le directeur des constructions du ministère de la Justice, M. Monsieur le chef de cabinet adjoint du ministre de la Justice, M. bien sûr, le chef de cabinet de Monsieur le ministre de la Communication, honorable député Sédou Diallo, Minchalmini, Nourdin Li, conseil spécial du ministre, Minchalmini, l'ensemble des conseillers municipaux du département de Matam, des conseillers municipaux de la commune de Wurosogi, de la commune de Nabadji et de toutes les communes du département de Matam. Chalmini, bien sûr, monsieur le maire Abdoulaye Salissal, maire de la commune de Nabadji. À travers Abdoulaye Salinon, Chalmini, tous les responsables politiques de la commune de Nabadji de Hanne o non min ngari notade notre frère le plus célèbre des dages le dage des dages monsieur Abdoulaye Si, Abdoulaye Si, félicitations pour cette belle mobilisation Dilini département à Dilini région à Dilini sénégal donc vraiment félicitations Abdoulaye Sy et merci merci Et ko Wadande président macky ton engagement est clair l'avouement politique est clair ta vision c'est la vision du président Macky Sall donc Abdoulaye félicitations. Nous sommes fiers de toi. Minchalmini aussi, notre coordinateur départemental et politique, honorable député Farbangom. Oh oui, politique, codental. Politique, c'est l'union politique de solidarité politique ko endam politique de fof que ko yiɗande jaam donc à travers ça je donne un message du président Macky Sall Macky Sall lui, pour élection 2024 inchallah au Yidi, que tous les responsables du département de Matam jiiɗe Yumma Baba nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Et c'est important. À la Kari, ou Kari, leader Kari. Nous sommes tous pour le président Macky Sall. Et c'est important. Parce que, nous avons politique naine et politique Johnny La Politique Haneo, nous les jeunes, nous voulons une politique du changement une politique du développement. Nous wadi, j'interpelle les responsables politiques du département de Matam et même de la région de Matam. Mimi, les responsables de politiques de Matam, dit que la jeunesse de la région de Matam, est là, président Macky C'est important parce que la Jeunesse, ɓerɗe ko koɓe imiɓe kala responsable politique gimmiɗo sa la jeunesse tagalma à la hay goto donc kala ko ngonden et politique gande c'est grâce aux jeunes de la zone de matam donc c'est important kala keɓɗo ko jolfuɓe mbiyete ko nombol tank kala de responsabilité là laamu président makisal poɗɗa ko tade sukaɓe région de matam c'est ça la vérité ɗum woni gonga o sukaɓe poti ko et emploi sur l'emploi des jeunes autofinancement des jeunes c'est important et bien sûr aussi Réobé, région de matam Parce que politicien la soukabe à a ala on a politiciens. politicien c'est pas possible donc mbaɗen ñaagui guila dow horema Guillemine en tant que ministre, à tout le monde, à d'âge, tout le monde, nous devons aider pendant que Waloudé, la jeunesse et les femmes de Matam. Nous voyons des mimi, nous voyons des mimi, nous voyons des mimi politique Nden et politique Johnny Gida. Odo jeunesse de la région de Matam, Koy Sénégal Djeya. Région de Matam, Koy Sénégal Djeya. Nous on doit se battre tous pour que régions région se développer. développement région de matam c'est vrai président on joue un rôle je parle à la presse je parle à la diaspora je parle à tout le monde président macky sall président macky sall c'est la vérité avant 2012 en ganda Johnny au moins on a des projets importants Laol, Ndioum Wurosogi, Wurosogi, Bakel c'est 309 milliards 309 milliards Laol, des Mayo, c'était un rêve rêve non rêve Johnny on dit, donc on dit allah on président Macky Sall en tout cas en tant que maire de Wurosogi, je suis fier du président Macky Sall pourquoi parce que l'hôpital hôpital Gondé maheede ɗo e Wurosogi, 22 milliards a hôpital Wurosogi. ko hôpital de toute la région de matam donc nous avons un avancement de la région humaine. aéroport 14 milliards aéroport pour toute la région de matam Ça a kadi un avancement ko émergence de la région de matam c'est vrai c'est vrai et heddi s'il vous plaît la jeunesse s'il vous plaît c'est vrai président Macky Sall que ko heewi Mashallah, kono c'est vrai ene heddi donc min jiiɗi ko yo ɓeydu min jiiɗi ko dans la région de matam et ça c'est important kono noon jolfo ɓe mbi bala nefa ça veut dire quoi Félicitations félicitations pour ton courage 2024 2024 a le candidat Godo. a le plan a plan b plan c plan z on n'a pas de plan on a un seul plan un seul candidat un seul responsable un seul leader le président Macky Sall donc c'est important la jeunesse du Fouta joni la population du Fouta ngande hande dans les réseaux sociaux on voit tout À la fof ko yeytake dans les réseaux sociaux Mbio, mbiya on président macky sall nafani min président macky sall nafani fouta président macky sall waɗanani en haydara c'est faux ala ko ñinmi kamɓe ɓe ganduɗa ɓe gondani e président macky sall eɓe jogui fulla e fayida wiide ɓe gondani e président macky sall eɓe jogui fayida et foule, benjida ɓe jiiɗa président Nous Nous que c'est leur droit c'est la démocratie kono enen yimbe Makissal, Soukabe Makissal, rebe Makissal, les leaders de Makissal, c'est important Daroden, on a un combat le combat il est grand c'est le combat de 2024 et là nous Olaf, Mihalde wolof mi ousmane sonko dégg le la keroog le meeting grand fal Kër Massar nga né Ousmane Sonko lo wax nga né sa bakken rek wala bakken président Macky Sall Nous dañ à partir de Matam on va dire lu nous dañ lay wax que le peuple sénégalais, le vrai peuple, le peuple du Sénégal, fera face. On fera face à Ousmane Sonko. bu yak yàq mol mi moo la tax a jóg bu dee taal na la ne am nga ay jeunes amna ay femmes ay responsables Sénégal yab yu taxaw pour faire face que de bi kenn Sénégal ken du aussi bëgg nga Ousmane Sonko mi président Macky Sall du sa morom président Macky Sall du sa morom président Macky Sall moram. sa morom sa place maa ngi wax nag lu leer les jeunes de Macky Sall les femmes de Macky Sall les responsables de Macky Sall sont prêts pour faire face aux dérives des vautours de l'opposition donc onon un fuutankoɓe on a onon fuutankoɓe On a en ngala on président makisal donc on Tinode, un e on C'est un petit président makisal sen ha président makisal euh, en gande un dañi problème. donc un nyagi on oto keddoɗe hay gooto oto keddoɗe hay gooto leader garowo galleji moon walla ne haalno on ne opposition matam y a pas d'opposition à matam y a pas de place pour l'opposition à matam matam comme matam matam matam président Macky Sall matam comme matam honorable député Farbangom, Ngom matam comme matam honorable député Kalidou Wagé. Mamadou Mori Diaw et matam comme matam Abdoulaye Salissal, Sall matam ko matam abdoulaye sy dage donc merci allah jarama on jarama soye mobilisé kalde yimɓeɓe ut hay goto jaab funtede allah jarama on jarama on beltanama merci